Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité au programme du studio Kalangu qui sont relayés par nos 52 radios et 7 télévisions partenaires dans l'ensemble du pays. Des programmes aussi disponibles sur notre page Facebook Studio Kalangu, notre site internet www.studiokalangu.org. Bienvenue dans cette émission, le forum du studio Kalangu. Ce soir, le thème du forum porte sur l'épidémie de la grippe aviaire au Niger, comment y faire face. Plusieurs foyers de grippe aviaire H5N1 hautement pathogène ont été découverts dans certains quartiers de la capitale, ont annoncé le 9 février dernier les autorités régionales. Cette maladie a affecté plusieurs espèces d'oiseaux avec un taux de mortalité élevé dans des élevages avicoles. Ainsi, durant la semaine du 13 au 15 février 2022, 10 foyers de grippe aviaire ont été recensés dans les élevages à Niamey, Tilaberi et Dosso, causant ainsi la mort de quelques 90 854 volailles, dont l'intégralité a succombé soit par des suites de la maladie ou de la bataille sanitaire selon un communiqué du Conseil des ministres du 24 février dernier. Qu'est-ce que la grippe aviaire Comment se fait la propagation de la maladie Quelles sont les mesures prises par les autorités face à la grippe aviaire Quels sont les défis liés à la lutte contre l'épidémie Pour répondre à ces questions et bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir dans ce studio Docteur Ibrahim Maman Laminou, chercheur au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Bonsoir, Docteur Laminou. Bonsoir. Docteur Morou Munkela, vétérinaire épidémiologie. Bonsoir, Docteur Mourou. Mhm. et maître Dandobi Yakuba, le responsable de la ferme avicole Dandobi. Bonsoir Dandobi eh, Yakuba. bonsoir. À la présentation, je suis Fatih Zakari. Je commence donc avec le euh, professeur Ibrahim Mamalaminou, chercheur au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES. Euh, Alors, docteur Laminou, euh, qu'est-ce que la grippe aviaire Donc, merci une fois de plus le studio Kalangou pour l'opportunité que vous nous offrez pour apporter notre modeste contribution à la formation des éleveurs, au développement de l'aviculture, mais aussi à l'éveil des consciences sur cette pathologie. Donc, euh, je commencerai par des synonymes Quand on parle de grippe aviaire, deux fois on parle d'influenza aviaire hautement pathogène et on parle aussi de peste aviaire. Dans tous les cas, euh, ces trois noms sont utilisés pour désigner cette pathologie. Maintenant, d'un point de vue euh, définition, je dirais que la grippe aviaire, c'est une maladie qui est infectieuse, qui est contagieuse, qui affecte les oiseaux, mhm. aussi bien des oiseaux domestiques que des oiseaux sauvage et qui est lié à un virus, du genre orthomyxovirus, et qui se traduit sur le plan clinique par une septicémie. Et cette septicémie, c'est une septicémie qui peut être à localisation respiratoire, mm-hmm. digestive ou nerveuse. C'est une maladie qui a une très grande incidence économique, car elle se traduit par une forte mortalité. Mm-hmm. Mieux encore, c'est une maladie qui est transmissible des animaux à l'homme. Mm-hmm. Autrement dit, c'est une zoonose. Euh, je terminerai par dire que c'est une maladie dont on devrait prendre conscience de son impact afin de lutter contre celle-là. Docteur Omoru Munkela, d'où vient cette maladie, la grippe aviaire euh, Je vous remercie une fois de plus de l'opportunité que vous nous offrez pour nous prononcer sur la question, cette question d'actualité, notamment la grippe aviaire hautement pathogène. Bien entendu, si on parle de grippe aviaire hautement pathogène, mhm. c'est-à-dire qu'il y a le faiblement pathogène et le moyennement pathogène. Mhm. Ce cas présent, nous parlons de la grippe aviaire hautement pathogène, mhm. le, H, AH5N1. Bien, la grippe, ou bien les grippes, puisqu'il y en, a, plusieurs, c'est une maladie historiquement connue. Mais pour ce qui est de cette épidémie qui est en cours, elle a commencé en Asie et euh, en 2003 et s'est propagée progressivement à travers le monde. Et pourquoi elle est partie de l'Asie, je lui disais que la spécificité de l'Asie, c'est la surpopulation. Donc la surpopulation fait que donc, euh, les animaux, les, élevages euh, sont faits sur pilotis, autrement dans des zones marécageuses, mm-hmm. sur les eaux, où on fait les élevages souvent, vous avez les oiseaux en bas et, en haut, et en bas, vous, avez les poissons pour faire l'aquaculture. Mm. Donc, le cycle de reproduction, de contamination entre les différentes espèces fait que très souvent, il y a des mutations, des erreurs génétiques et donc l'émergence, n'est-ce pas, de nouveaux virus. Mm-hmm. Et ce qui fait que ce virus est au rang de virus très instable à l'image des influenza. Donc, euh, la grippe saisonnière. Mm-hmm. Et donc, euh, de là, il y a d'autres aspects, comme vous le savez, il y a le changement climatique qui a mhm. aussi un impact sur l'épidémiologie de ces animaux. Comment est-il arrivé ici euh, au Niger Oui, et la, première épidémie, le premier foyer, mhm. était à Paris en 2004 au Niger, dans la zone euh, de Myria. Mm-hmm. Et on pense que c'est les oiseaux migrateurs autour du mare. Et la particularité de ce foyer, c'est que c'était les canards mm-hmm. et qui étaient affectés. Or, les canards sont connus comme étant euh, tolérants, résilients par rapport à ce virus-là. Donc, au de là, euh, le foyer, bon, on dit tantôt ça, c'est venu du Nigeria, tantôt les oiseaux migrateurs. En tout mhm. cas, le débat est en cours. Alors, quels sont donc les types d'oiseaux qui peuvent attraper donc la grippe aviaire Originalement, on dit que les, les, palmipèdes, de façon générale, générale, les palmipèdes sont tolérants les au virus. Les, ce sont les canards. Les canards, oui. Les canards, ils sont tolérants, les oies et tout ça. Là. Mhm. Mais à l'évidence, on a vu des exceptions. Donc, toutes les autres volailles eh, sont sensibles n'est-ce pas, à la maladie. Maintenant, il y a d'autres mammifères, dont les porcs et les rats, n'est-ce pas, qui sont aussi sensibles au virus. Mm. Et on pense que le virus transite par ces mammifères-là pour contaminer l'homme. Vous voyez bien la chaîne. Mm-hmm. Donc ça part des palmipèdes, ça transite par les porcs ou encore des rats, et ensuite le temps de s'adapter et contaminer l'homme. Mais il y a eu des cas où il y a contact direct avec les oiseaux, les hommes sont contaminés. Et il y a eu même des contaminations d'hommes à Docteur, vous voulez ajouter Et Par rapport à la question euh, comment la maladie s'est retrouvée au Niger, mm-hmm. il faut dire aujourd'hui avec la mondialisation, mm-hmm. avec l'intensification du trafic euh, international, mm-hmm. un virus peut quitter en 24 heures un coin du globe pour se retrouver à un autre parce que les gens voyagent, il y a des avions euh, qui se déplacent, il y a des conteneurs qui se déplacent. Dans les avions, il y a des aliments. Et dans l'histoire, on a eu des cas où, par exemple, le virus, la peste portine, mhm. a quitté l'Afrique pour se retrouver en Europe en voyageant en première classe dans le caviar ou mhm. dans les plats issus de cela. Donc tout naturellement, aujourd'hui, avec le commerce international des poulets, des viandes congelées et même des oiseaux sur pied, autrement dit des oiseaux vivants, la transmission se fait rapidement. Maître Dandobi Yakuba, vous êtes responsable de la ferme avicole Dandobi. Veuillez donc nous présenter brièvement votre entreprise. merci, euh, madame, de me donner cette opportunité et euh, le studio Kangou et l'opportunité de rencontrer le docteur et le professeur. Mm. Donc, vraiment. Euh, je suis en train d'apprendre beaucoup de choses. Mhm. C'est une ferme intégrée, c'est mhm. sur l'élevage, euh, la voie. j'ai fait la la pisciculture, la riziculture, un mini zoo et puis un espace pour les enfants. Donc ici, on est au côté volaille, avec les fermes on a des groupements. Donc j'ai appris juste deux jours avant la présence vraiment de la grippe aviaire. Donc comme il y a beaucoup, comme je vous ai dit, beaucoup de personnes connaissent la ferme. Deux jours avant le communiqué, oui, c'est deux, jours avant le communiqué, puisque moi j'ai commencé à, voir euh, le, les signes le 8. Mhm. C'est vrai que le communiqué à la télé, c'était le 9. Mais, déjà, mhm. euh, entre nous, les vétérinaires, on est, les, agriculteurs, on est en train mhm. de circuler pour dire de faire très attention. Eh oui. Donc, euh, directement, donc ici, comme avait dit le, professeur et le docteur, et vraiment, c'est du sérieux. Il y a beaucoup qui ne croient pas. Quand j'ai dit, bon, voilà la grippe aviaire, ils disent, non, ça n'existe pas. Il a fallu que vous passiez dans la ferme pour voir que, juste une semaine après, mhm. vous dites, mais qu'est-ce qui ne va pas C'est désolant, il n'y a rien. Comme vous avez dit, il y a deux sortes. Il y a euh, ce qui, euh, qui a été euh, attaqué par la grippe, mhm. donc les décès, et, moi j'ai suivi les consignes, mhm. et il y a eu l'abattage. donc vraiment, c'est hautement, disons, alors, euh, Dandobia, euh, votre ferme euh, donc, est victime de cette épidémie de grippe aviaire qui sévit depuis quelque temps dans la région de Niamey. Avez-vous perdu combien de volailles oh, J'ai 1000 pondeuses, donc j'ai perdu en deux jours. Après, ça a attaqué les, canards. Mm-hmm. Comme le docteur l'avait dit, les mm-hmm. canards, surtout les canards colverts, mm-hmm. c'est comme je l'ai vu, c'est eux qui sont, ils peuvent garder le virus longtemps avant de le propager. Donc, euh, il y a les pans, il y a les différences autres d'oiseaux, mais on voyait les signes. Mais il y a ceux qui ne donnent pas les signes mhm. jusqu'à l'abattage. Donc on est obligé maintenant d'abattre. Et à combien peut-on estimer le coût euh, de cette perte Bon, on peut l'estimer à, environ, sans trop exagérer, 14 millions. C'est beaucoup. Oui. y a, y, a, des, choses qu'on ne peut même pas mhm. avoir, puisque c'est des trucs euh, venus d'ailleurs, des, poules d'ornement. De, mhm on est obligé d'abattre tout. Et comment vous vivez cette situation oh, bon, c'est difficile. C'est difficile côté financier parce que c'est bien que je travaille dans un privé, mais c'est mhm. une source de revenus. Et surtout, vraiment, c'est quelque chose qui anime et je crois le quartier l'a mordé et puis vraiment la ville du Naï puisque mhm. beaucoup viennent. Donc c'est désolant quand les gens viennent, j'ai dit bon, la ferme est en quarantaine ou bien elle m'appelle. Mhm. Même les touristes, si vous rentrez dans le site web de la ferme Youyou, à l'internet, vous allez voir et le communiqué. Je suis jusqu'à 4.6 étoiles, donc presque 5 étoiles, donc les gens aiment. Mais c'est désolant, mais aussi, il faut mhm. voir. Et je ne regrette pas beaucoup parce que je suis déjà atteint, c'est une maladie. Mhm. Il faut vite les neutraliser pour ne pas exposer. Mhm. Surtout moi, c'est un lieu où les gens, et voilà, les gens, voilà. Oui, donc l'enseignement qu'il faut tirer, c'est qu'en matière de production avicole, il faut aller vers la spécialisation. Mhm. Il ne faut pas faire à la fois sur, le, sur la même ferme mhm. des poules, des canards. Pour la simple raison, le plus souvent, les canards sont des porteurs asymptomatiques, ils hébergent les virus, mhm. alors que la poule, elle est beaucoup plus sensible. D'autre part aussi, nous reviendrons quand on va parler de la biosécurité. Un élevage, ce n'est pas un lieu de tourisme. Parce que tant que les gens vont aller et revenir, on finirait inéluctablement par faire euh, entrer le virus. Et en ce moment, on ne verra que les conséquences. Nous en parlerons amplement au moment de la biosécurité. Mourou Munkela, docteur vétérinaire épidémiologie. Alors, dans la plupart euh, des exploitations infectées par la grippe aviaire, les autorités sanitaires procèdent à l'abattage des volets. Pourquoi donc le choix de cette méthode Oui, effectivement, c'est quand il y a un foyer d'une zoonose majeure comme celle-là, la mesure qui est proposée par euh, les institutions internationales, c'est les mesures de prophylaxie sanitaire. Autrement dit, l'abattage systématique des animaux qui sont infectés, ou qui sont en contact même avec les sujets infectés. Et cela, c'est pour des raisons de santé publique. Il y a une balance à faire. Mm-hmm. Quand la santé publique est menacée, celle des animaux est éclipsée. Mm-hmm. Donc, euh, devant un virus où il n'y a pas un traitement et même pas un vaccin recommandé, homologué. Donc ce qui est recommandé, c'est de faire l'abattage pour protéger la santé humaine. Ça a un coût. Et la particularité du Niger est on ne fait pas seulement souvent de l'élevage moderne, mais souvent, très souvent d'ailleurs, 80% de notre élevage, hein? c'est un élevage traditionnel. Donc on ne fait pas l'élevage de case, mais l'élevage dans la case. Mm-hmm faut bien relever la nuance. Il n'est pas rare en milieu rural de trouver sous le lit une poule en train de couver des œufs. Donc cela augmente l'interface entre l'homme et l'oiseau et la poule. Donc le risque de transmission de la maladie, n'est-ce pas, à l'homme et qui pouvait évoluer, comme j'ai dit, le virus est encore en phase d'adaptation. Et si jamais elle arrivait à s'adapter, ça pourrait prendre l'ampleur de Covid-19. Donc euh, ça, c'est des particularités de notre élevage et qu'il faut relever et dans les mesures de contrôle qu'il faut. Et l'autre élément qui est constaté, c'est que de plus en plus, les gens sont tendance à acheter, n'est-ce pas, les poules euh, dites modernes, n'est-ce pas, améliorées, et ils les croisent avec les poules traditionnelles. Donc de ce fait, ils sont en train de diluer notre patrimoine génétique et donc créer, n'est-ce pas, une souche de poules va être hypersensible, donc exposer les hommes. Parce que au niveau des maisons, cet élevage de cases, je le répète, l'interface humain et oiseau est très étroite. Donc le risque de transmission est très grand, mmh. ce qui est un danger réel. Donc les autorités doivent euh, cerner la pertinence et voir comment il faut contrôler ça à ce niveau. Si au niveau des fermes modernes, on peut faire le stamping out la destruction, il n'en est pas de même, souvent au niveau de ces élevages de cases ou même de maisons qui vraiment exposent la population réellement. Vous avez une idée des régions donc, euh, qui sont les plus euh, concernées par euh, cette épidémie on n'a pas l'actualité au point, mais il y a quatre régions aux dernières informations qui sont affectées. Et donc, quand on analyse la situation, la maladie est en train de gagner du terrain. Mm-hmm. Et ce qui n'est pas très bien. En si peu de temps, plusieurs régions sont affectées et cela traduit vraiment un danger réel et dont il faut cerner l'ampleur. Professeur euh, Laminou, à l'heure actuelle, est-ce qu'on continue à identifier des nouveaux foyers de grippe aviaire donc, comme il a eu à le dire, donc euh, initialement le foyer c'était dans la région de Niamey, mais après la région de Niamey, il y avait eu des cas à Maradi et à Zender. Et Maradi et Zender sont géographiquement situés en frontière avec le Nigeria. Mhm et je vous ai parlé de l'importance du trafic international dans cette transmission. le cas s'est révélé avec euh, l'infection au SARS-CoV-2 où nous avons vu en un temps record une maladie qui était focalisée à Wuhan en Chine s'était retrouvée pratiquement dans les cinq continents. Or, vous savez, le Nigeria, c'est vraiment un marché international où il y a une grande population et aussi une population qui est économiquement très active. Donc, euh, ceci pour dire que le foyer, très certainement, à partir de Niamey, il va s'étendre vers les grandes villes euh, où il y a un grand développement économique. Et par conséquent, donc, les régions de Maradi, les régions de Zender, et puis euh, probablement s'étendre vers le Nigeria. Mhm. Et à chaque fois, quand on parle de grippe aviaire, euh, on voit donc euh, les fermes euh, d'élevage modernes. Est-ce que la grippe aviaire concerne-t-elle seulement les volailles issues des fermes modernes non, non, pas du tout. moi, je suis le président du Club monde Niger. Je suis en contact régulier avec les éleveurs de pigeons et je vous assure, régulièrement, nous avons des éleveurs qui annoncent une forte mortalité dans leur élevage. Mhm. Euh, tout récemment, il y a Orest euh, qui m'en a rapporté des cas. Il se trouve lui aussi à Harobanda. Et au-delà des poules, les pigeons et même les oiseaux sauvages, tout le monde, s'il fait un effort, il va voir chez lui, il y a des arbres. Et dès lors que vous voyez des signes où euh, les petits d'une tourterelle tombent, c'est qu'il y a, il y a quelque chose qui, ne va pas. Quand vous levez et que vous trouvez des oisillons chez vous qui n'arrivent pas à s'envoler, ou bien de la matière fécale de couleur verdâtre à jaune verdâtre au niveau de leur cloque, ça ce sont des signes qui montrent que dans les animaux sauvages, il y a la pathologie. Et Ibrahim Dandobi, l'État pense déjà à vous apporter un soutien Oui, oui, le soutien bon, passe soutien financier, puisque dès qu'on dit soutien, c'est le hmm. soutien financier seulement qu'on voit. Pas seulement le soutien financier, puisque euh, depuis que j'ai été victime, euh, j'étais à la Bruxelles. Donc, directement, ils n'ont pas attendu, vraiment, et ça m'a plu. Donc, ils ont pris le véhicule pour me suivre. Moi, on m'a appelé pour dire qu'il voilà, il y a beaucoup de pertes. On était partis, ils ont vu, ils ont constaté. Et depuis, ils ont transmis à l'élevage. Ils sont venus. Mhm. Comme j'ai euh, des animaux un peu sauvages, donc il y a l'environnement qui était là donc avec une issue pour l'abattage. Donc vraiment, après, on a constitué le dossier que j'ai transmis. Mais j'ai appris qu'il y a ceux qui ont été déjà dédommagés. Mhm. Donc euh, nous, on, attend Alors, euh, quelles sont vos doléances envers euh, l'État pour pouvoir supporter toutes ces pertes causées par oh, oh. l'épidémie de la grippe aviaire Bon, les pertes, déjà, il y a eu les pertes, mais maintenant, c'est pour ne pas encore eh, tomber dans les mêmes problèmes. Mhm c'est que comment faire pour éviter. Parce que nous, on a peur. Si, euh, avec, par exemple, les grandes fermes qui ont vraiment des biosécurités strictes, personne n'y rentre. Si vous partez à Avi, Niger, donc tout est bloqué, même les véhicules, autres, là, personne n'y rentre. Euh, et puis, des grandes fermes comme ça, et, et que il y a ces problèmes. Euh, donc les, les, gens s'inquiètent. Comment faire et l'origine Comment ça vient jusqu'à présent Personne ne peut vous dire voilà mhm. comment c'est arrivé vraiment au Niger, mhm. comment c'est arrivé et comment contrer. Il n'y a pas de vaccin. Quand ça arrive, il n'y a pas de vaccin. Les gens disent il faut mettre du, il faut donner du piment, il faut faire ça, il faut faire ça. Tu entends du n'importe quoi comme, comme la grippe aviaire, oui. Mais euh, c'est ça notre aide, c'est qu'il faut qu'il y ait des études, donner à des spécialistes pour qu'ils partent faire des études, voir comment faire pour vraiment immédiatement ce problème. Oui, docteur Mourou Effectivement, comme il l'a dit, euh, il faut effectivement conduire une étude ou des études pour déterminer les voies d'introduction du virus dans les fermes. Et souvent, et ça peut être euh, à travers euh, le commerce, mais surtout, moi je crois surtout aux oiseaux relais. Les oiseaux relais, c'est lesquels C'est les oiseaux qui se mêlent avec les oiseaux aquatiques et ils reviennent dans les fermes Hein? Ils viennent dans les fermes et souvent ils partagent, n'est-ce pas, l'alimentation avec les fermes. Donc là, il y a un problème de bio-exclusion qu'il faut mettre, des mesures de bio-exclusion qu'il faut mettre en place. Les oiseaux relais peuvent apparaître innocents, mais pourtant ils peuvent être à l'origine de l'introduction, mm-hmm. n'est-ce pas, de ce virus dans les fermes mm-hmm. Mais il faut conduire une étude pour déterminer les déterminants. C'est ça, en fait, quand on part faire une investigation. L'essentiel n'est pas seulement de faire des prélèvements, analyser, dire que c'est positif. Ça doit être une approche systématique. Après que vous ayez fait le prélèvement, il faut déterminer les déterminants, les facteurs qui ont contribué à l'apparition du foyer mhm. dans telle ferme et non pas dans, la ferme Y. Donc, il faut faire des études, ce qu'on appelle euh, d'association, pour pouvoir déterminer exactement ce qui a favorisé l'introduction. C'est en cela seulement que vous pouvez faire des prescriptions, parce que c'est de ça qu'il s'agit, au fermier, c'est de ça qu'il il a besoin. Vous avez détruit sa volaille, ok, mais quelle est la prescription Parce que si vous ne déterminez pas les déterminants, les facteurs qui ont contribué à l'apparition du foyer, demain également, il peut avoir une infection. Oui, la maladie peut revenir. Oui, peut revenir. Mm. Donc, vous n'avez rien fait et on se trouve dans une situation d'éternel recommencement. Premier élément. Deuxième élément, même quand vous déterminez le virus, il faut aller plus loin, faire le séquençage. Savoir est-ce que c'est le même virus qui a infecté, est-ce tu vois, la ferme X et c'est le même dans la ferme Y. Parce que quand vous regardez la situation épidémiologique du Niger, nous sommes dans un carrefour de foyers. Mm. Il y a le Bénin qui a été affecté par la grippe aviaire. Hein. Hein? Il y a le Burkina qui a été affecté. Il y a également le Nigeria. Mm. Mais le virus nous vient d'où c'est en déterminant exactement que le virus qui est en cause au Niger, c'est celui-là qui est en cause dans tel pays. Là, on peut imposer des mesures de restriction. Et ça, c'est des études beaucoup plus poussées en termes de phylogénie et de phylogéographie qui vont nous amener à déterminer ça. C'est pas tout juste aller dire que bon, on a trouvé la grippe, ok, c'est tout. Non, il faut aller un peu plus loin. Maintenant, il faut combien de temps pour que euh, l'entrepreneur euh, reprenne son, élevage normal oh, Le tout n'est pas d'abord de reprendre. Moi, je crois qu'en termes de biosécurité, pour prévenir au niveau même de la conception des fermes, les fermes, on ne les place pas n'importe où. Nous allons donc euh, à présent entamer euh, la deuxième euh, partie du forum consacrée à la prise en charge de l'épidémie de la grippe aviaire. Professeur Ibrahim Maman Laminou, la grippe aviaire peut aussi se transmettre à l'homme. Dites-nous comment se fait le mode de contamination. Donc, en ce qui concerne le mode de contamination, il y a essentiellement deux mode de contamination. Le mode de contamination direct entre des sujets malades à des sujets sains et puis le mode de contamination indirect qui fait intervenir la manipulation, euh, le déplacement des véhicules, le déplacement des ouvriers, l'utilisation des outils, l'utilisation des sources d'aliments. Ce sont les deux principaux modes de euh, transmission. Mm-hmm. Et la connaissance de ce mode de transmission aussi va définir les modes de prévention. Car une fois que le mode de transmission est connu, il faut agir à ce niveau pour l'interrompre. La grippe aviaire est-elle dangereuse pour l'homme Oui, comme on l'avait dit dans l'introduction, c'est une maladie qui est transmissible de euh, l'animal à l'homme. Et ici, ceux qui sont les plus euh, à risque, ce mm. sont les ouvriers qui travaillent dans les fermes, qui mm-hmm. sont en contact avec les sujets malades, qui sont en contact avec l'environnement. Et d'un point de vue euh, clinique, on n'en a pas beaucoup insisté chez les mm-hmm. oiseaux. Mm-hmm. Euh, avant de parler chez l'homme. Chez les oiseaux, il y a principalement trois formes cliniques. Il y a la forme qu'on appelle la forme suraiguë, où après une incubation de 24 à 48 heures, vous allez observer une grande mortalité. La deuxième forme, c'est ce qu'on appelle la forme qui n'est pas aiguë parce que la première, elle est suraiguë. Donc dans la deuxième, elle est moins grave que la, première. Mm. Et à ce niveau, on va voir une maladie septicémique avec des signes essentiellement digestifs, sur la diarrhée qui est verdâtre, mhm. des signes respiratoires avec des sujets qui ont des dyspnées respiratoires et une forme nerveuse avec des oiseaux qui sont paralysés. Et quand on fait de l'autopsie, la chose qui frappe le plus, c'est une septimie. Autrement dit, c'est une maladie qui affecte tous les organes. Et enfin, il y a la forme qu'on appelle subaiguë qui est surtout observée en Asie où le virus circule depuis des années et où la mortalité a baissé, mais le virus perdure sur de longues périodes. Chez l'homme, comme je dis que c'est une euh, zoonose, elle a essentiellement des signes respiratoires. Pouvant aller d'abord par une fièvre, des signes de rhume mhm. où vous toussez, il y a des écoulements au niveau euh, du nez, et de des larmoiements parce que ça affecte les voies respiratoires digestives, qui va évoluer vers des bronchites et même des pneumonies. Alors, docteur Amourou, est-ce qu'il y a eu des cas de malades atteints de la grippe aviaire dans les localités concernées euh, Je ne saurais dire plus, comme mon docteur professeur Lamine a eu à le dire, mais ce qu'on aurait dû faire, toutes les fois qu'il y a un foyer, autant on a prélevé les oiseaux, mhm. autant les ouvriers qui travaillent doivent être prélevés pour savoir si effectivement ils ont été infectés. Mhm oui ou non. Et de façon élargie, les contacts au contact, c'est-à-dire mhm. euh, les membres de, la famille des ouvriers, mhm. doivent être également être prélevés mhm. pour s'assurer effectivement qu'ils n'ont pas été contaminés. Dandobi, est-ce que vous avez été prélevé non, non, on n'a pas été prélevé et surtout peut-être sur ces points, comme il a dit. Et vraiment, euh, là, on a besoin d'un suivi puisque après l'abattage, on nous a laissés nous-mêmes. Mhm. Je suis obligé de partir vers là, le docteur euh, à Contravette mhm. pour payer les produits. Et bon, avec la grippe aviaire, on a les, les, les, bavettes, les masques et tout. On a utilisé nous-mêmes pour faire tout ce qui est côté nettoyage avec Javel, avec le conseil des vétérinaires. Mais sur ces points, vraiment, il faut vraiment une grande suivi. De, toute façon, on a des, vétérinaires qui nous ont suivis, mais euh, nous laisser nous-mêmes, ça veut dire qu'on a utilisé notre <laughs> argent après la pour faire ces nettoyages. Mm-hmm. Et oui, on ils nous ont suivis jusqu'à là, mais euh, jusqu'à l'abattage, on a, on a tout suivi, mais en ce qui concerne le nettoyage, là. Qui, qui doit suivre les fermiers, docteur Lamine Bon, en principe, c'est une approche One Health qui devrait être déclenchée pour la gestion de cette épidémie. Voilà, c'est une maladie zoonotique, mhm. donc on devrait avoir à la fois le ministère de l'élevage, on mhm. devrait avoir au minimum le ministère de la Santé mhm. euh, et puis le ministère de l'Environnement. Euh, l'élevage va recenser toutes les informations au niveau des animaux en ce qui concerne les malades, les décès et les mesures à prendre. Au niveau humain aussi, continuer les investigations. Au niveau de ceux qui sont en contact avec des sujets pour essayer de voir si déjà il n'y a pas des gens qui sont en incubation et que ça ne va pas évoluer vers une grippe clinique et prendre des mesures qu'il faut très tôt. Et au niveau de l'environnement, pour essayer de voir tous les animaux sauvages, en particulier les oiseaux sauvages, mhm. est-ce qu'il y a des mortalités Si oui, à quel niveau Parce que c'est cela qui donnera mhm. euh, des informations sur l'origine du virus et en particulier les oiseaux qui auraient contaminé ces fermes. Maître Dandobi Yakuba, quelle appréciation faites-vous des actions menées par l'État face à la maladie de la grippe aviaire On doit être euh, plus civil. Il faut que l'information euh, passe mhm. vite. Il nous faut, il nous faut faire des, formations. Bien que je sais que c'est difficile, mhm. je sais qu'on a des groupements et on a toujours des problèmes, mais il nous faut des formations. On a des spécialistes moi, quand je vois le Niger, quand je vois vraiment des <laughs> connaissances qu'on a après, oui. je peux dire qu'on ne doit pas nous laisser eh, nous-mêmes ou à notre mm. sort. L'État peut faire mieux, euh, ça veut dire qu'il faut. Je sais que la formation demande beaucoup de choses, mais il nous faut, puisque vraiment c'est une économie, l'élevage là. C'est vrai que c'est difficile, mais si on arrive à avoir beaucoup de fermes, je crois que c'est ça et qui peut évoluer, qui va faire grimper notre économie. Docteur euh, Mourou euh, Munkela, vous êtes vétérinaire épidémiologie. Tout à l'heure, vous disiez qu'il n'y a pas de traitement contre la grippe aviaire. Il y a un vaccin, mais le vaccin, euh, c'est un vaccin qui n'est pas homologué et qui n'est pas conseillé. Mhm. Parce que quand vous vous mettez dans la logique de la vaccination, c'est-à-dire vous vous mettez dans une logique d'indimicité parce que l'oiseau, même étant vacciné, il est encore susceptible. Autrement dit, il va continuer à excréter ou à sécréter le germe dans ses sécrétions, donc à disséminer le germe. Donc, il n'y a pas eu euh, des recherches approfondies euh, par rapport donc, à ce vaccin ou bien où se situe le problème Il y a eu un vaccin au Niger même, je vous ai dit, en 2006, quand il y avait eu l'épidémie, on a acheté le vaccin. Mhm. Mais quand on a pesé le pour et le contre, on a dit, bon, euh, autant ne pas s'inscrire dans une logique mm-hmm. d'endémicité, quoi, où chaque fois il faut continuer à vacciner, à vacciner, à vacciner. Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il avait dit. En fait, c'est une mm-hmm. maladie légalement contagieuse mm-hmm. à déclaration obligatoire. Il n'y a pas de traitement. C'est un virus et la meilleure façon, uh-huh. c'est de tarir le virus uh-huh. dans le pays. Et par conséquent, la meilleure façon de tarir le virus, c'est d'éliminer tous les sujets qui sont malades, tous ceux qui sont morts et tous ceux qui ont été en contact avec les malades. Donc c'est la meilleure façon de supprimer de façon définitive le virus. Voilà, donc on ne traite pas les maladies euh, légalement contagieuses à déclaration obligatoire, c'est d'autant plus même qu'elle a une origine virale, mhm. parce que comme vous le savez, le plus souvent les virus, il n'y a pas de traitement. On fait un, euh, un traitement symptomatique, mhm. mais le traitement étiologique, c'est rare de trouver euh, des virus qui ont euh, des antiviraux qui leur sont efficaces. Mhm. C'est surtout avec les bactéries qu'on a assez d'armes que ce sont les antibiotiques, mais aussi les parasites. Mhm. Voilà, la troisième et dernière partie euh, du forum porte sur les mesures préventives de la grippe aviaire. Professeur Lamino, peut-on éviter la grippe aviaire Oui, on peut éviter la grippe aviaire. La principale mesure, vraiment, c'est surtout de renforcer les mesures de biosécurité. Mhm. Docteur Mourou a eu à entamer la question, avant même de s'engager dans l'aviculture, il faudrait savoir qu'il y a un certain nombre de règles depuis la conception du bâtiment jusqu'à son exploitation. Et c'est surtout le respect de ces mesures qui devront permettre d'éviter la maladie. Dans son implantation, la ferme doit être implantée hors agglomération elle devrait être confinée. Les animaux sauvages ne doivent pas pouvoir y accéder. Les grilles doivent être à maille limitée pour que aucun passereau, aucune tourterelle, aucun canard ne doit y accéder. Les fermiers, ils doivent être formés mhm. pour que, une fois qu'ils travaillent à l'intérieur, ils doivent avoir des gestes qui évitent toute contamination. À l'entrée, il y a ce qu'on appelle les, les Ce sont des lieux où on met des désinfectants pour que les véhicules qui viennent, qui sont partis chercher soit des aliments ou qui mhm. sont partis chercher euh, quelque chose à l'extérieur, quand ils rentrent, il ne faudrait pas que, à travers leur roue, ils amènent le virus. À l'intérieur, pour passer d'un élevage à un autre, il y a les pédiluves. Autrement dit, ce sont des lieux où il y a des éponges qui sont imbibées de désinfectants qui font mhm. que font qu'avec les bottes, quand vous rentrez, vous n'allez pas prendre un virus d'ailleurs pour le mettre. À l'intérieur, il y a toute une série de mesures qui sont transmises euh, lors de la formation parce que L'aviculture, c'est une spécialité. Les bottes, euh, les blouses, les gants, les sources des aliments, hum. toutes les mesures sont prises pour que il n'y ait pas l'introduction du virus. Vraiment, c'est une formation dense qui doit être spécialisée aux aviculteurs qui font en sorte que dans leur travail de tous les jours, ils évitent la contamination. <laughs> Docteur Mourou, vous pouvez donc ajouter euh, sur les moyens préventifs Effectivement, c'est pour le compléter, il mais un peu ce qu'elle a dit. Mhm. La biosécurité, il y a trois étages. Le premier étage, c'est au niveau même de la conception. C'est pas n'importe où on implante une ferme avicole. Parce qu'il y a des lieux très risqués. Et quand le risque est là, et malgré le risque, vous, vous implantez votre ferme, vous êtes toujours à la défensive. Vous voyez mhm. bien, donc au niveau de la conception, mhm. c'est là où commence d'abord la biosécurité. Le deuxième niveau de la biosécurité, c'est au niveau des infrastructures que vous mettez en place. Il a parlé des livre à la porte. Les poulaillers, selon les âges, doivent, euh, le courant d'air, doivent être orientés de façon que les animaux qui sont immunologiquement faibles, c'est-à-dire les, euh, les poussins, ne soient pas exposés au courant des, poules qui ont une expérience immunitaire. Mm. Hein? Donc euh, le, vent facilement peut transporter les germes vers les poussins mm-hmm. et ainsi les contaminer. Tous ces aspects doivent être au niveau des infrastructures, de l'implantation. Vous devez tenir compte de tous ces aspects. Mm-hmm. Maintenant, le troisième niveau de la biosécurité, mm-hmm. c'est au niveau euh, des procédures n'est-ce pas Les procédures. Une ferme moderne. <laughs> Et ce n'est pas un marché où chacun vient et rentre. Il y a des conditions, des prescriptions pour y rentrer et pour y sortir. Et il y a des prescriptions quand il y a une infection dans la ferme, comment il faut contenir cela, ce qu'on appelle biocontainment. Mm-hmm. Tous ces aspects-là doivent être prescrits, c'est des procédures. Et les ministères, effectivement, doivent aider, n'est-ce pas, les mhm. fermiers pour le respect strict mhm. de ces trois niveaux de biosécurité pour qu'enfin, il n'y ait pas de foyer et se mettre dans une position d'éliminer les oiseaux et mettre en banqueroute les éleveurs. Mhm. C'est ça qu'il faut éviter. La démarche, il faut éviter que l'événement soit là. Dendobi Yakuba, vous êtes responsable de la ferme avicole d'Andobi. Certains propriétaires de fermes traditionnelles, des revendeurs de volailles aussi, euh, ne croient pas à la grippe aviaire. Alors, euh, comment amener ces gens-là à mieux comprendre la maladie qu'ils qualifient d'ailleurs euh, d'une simple maladie de volaille donc, vraiment, moi, je l'ai vécu. Elle existe. De faire très attention. Comme le docteur et le professeur l'ont dit, c'est ah. l'abattage direct dès qu'on voit un sujet. Donc, il y a des signes. Il suffit de voir juste un petit oiseau tomber. Puisque juste après, euh, on a vu tous ces signes. Nous, on est au bord du fleuve, on a vu des signes, des, oiseaux tomber, ou bien quelqu'un dire, il a vu trois, trois oiseaux là-bas, moi. Donc, ça, ce sont des signes. Et on est en train d'aider puisqu'on est en train de demander les riverains, tous ceux qui sont au niveau du fleuve, s'ils n'ont pas vu encore un oiseau tomber ou quelque chose comme ça, pour voir, puisque on veut grandir, on veut continuer notre élevage, donc il faut vraiment qu'on se sécurise. Donc de faire très attention. Euh, il faut que les gens passent vraiment dans les, chez les vendeurs, les sensibiliser. Dès qu'ils voient quelque chose euh, de mortalité, donc de signaler. Mhm et de les isoler. Vraiment, c'est très sérieux. Vraiment, en deux jours, moi, je l'ai vécu. <laughs> tu ne peux pas, tu rentres, tu vois une centaine morts dès que tu prends. comme l'a dit le professeur, c'est c'est juste tu ne vois il n'y a aucun signe même parfois tu prends la poule elle est déjà morte donc euh, de faire très attention il faut qu'on se vraiment qu'on protège qu'on se protège qu'on protège notre élevage oui, Moro. Mhm. relativement à la prévention. Nous mhm. avons parlé de la biosécurité. Mais avant la biosécurité, c'est un mhm. renforcement de la surveillance qu'il fallait. Et nous avons proposé de mettre en place une surveillance sentinelle. La surveillance sentinelle, ça consiste à mettre en place, n'est-ce pas, des oiseaux sensibles, notamment les canards, les palmipèdes de façon générale, dont on connaît leur système immunitaire, mhm. c'est-à-dire qu'ils sont négatifs. On les met dans des cages flottantes sur l'eau, au bord du fleuve, à ciel ouvert. Vous voyez bien, au point que quand les oiseaux migrateurs viennent, ils vont se mêler à eux, partager leurs aliments, leurs boissons avec eux. Et à des fréquences régulières, peut-être toutes les deux semaines, le laboratoire vétérinaire se déplace pour aller prélever ces canards-là qui sont dans une cage flottante mhm. pour savoir est-ce que les oiseaux migrateurs qui sont venus ne sont pas venus avec déjà, n'est-ce pas, le virus. À partir de ce moment encore, les fermes ne sont pas atteintes. Vous voyez bien mhm. Donc, dès qu'on constate déjà les anticorps ou même les antigènes du virus chez ces canards dont on connaît préalablement leur statut immunitaire, ça permet d'alerter les éleveurs que prenez vos précautions. Le virus est là, nous l'avons détecté, n'est-ce pas, chez, n'est-ce pas, nos volailles sentinelles, autrement dit les canards. Nous avons donc renforcé la vigilance. Mm. À partir de ce moment, on aurait déjà gagné en termes de prévention et de réaction. Professeur Laminou, comment amener donc euh, ces gens-là qui ne croient pas à la grippe aviaire Comment donc les amener à mieux comprendre la maladie Le comportement social euh, avant la grippe aviaire, on l'avait vu avec beaucoup d'autres pathologies. Avec le VIH-Sida, euh, il y a deux décennies, beaucoup n'y croyaient pas. Ils mhm. disaient que c'était un syndrome pour décourager les amoureux. Il a eu l'infection au SARS-CoV-2, mhm. la COVID-19, une mhm. fois de plus. Il y a eu beaucoup qui n'ont pas cru, même si nous avons eu des cas où il y a eu des décès et c'est factuel. Donc tout naturellement aussi avec euh, la grippe aviaire, certains n'y croiront pas. Mais les fermiers qui, eux, ont fait une grosse perte économique, par exemple à Niger en 2021, il y avait 30 000 pondeuses, il y mhm. avait 27 000 qui étaient mortes. Donc euh, vous voyez, d'un point de vue économique, là, il n'y a pas de, pas, de doute. Mhm. Donc lui qui a été victime, il ne peut pas ignorer cela. Donc c'est un comportement social. Euh, deux fois, quand quelque chose de nouveau arrive, les gens ont de la peine à changer leur paradis. J'aimerais dire juste quelque chose de très important, mhm. c'est que les sujets qui sont malades ou les sujets qui ont été contaminés dans les fermes, il ne mhm. faudrait pas que les ouvriers les consomment. En effet, en les consommant, ils vont être en contact avec le virus mm. et ils peuvent se le transmettre soit par la muqueuse buccale, soit mm-hmm. par la muqueuse pituitaire, soit par la muqueuse oculaire en faisant euh, des gestes de nettoyage. Et par conséquent, ce sont eux qui sont les plus exposés et ce sont eux où la zoonose va s'exprimer. L'autre, c'est le rôle des médias, mm. c'est de donner l'information, c'est euh, de trouver des faits, aller sur les fermes, filmer, questionner et en ce moment, on va faire une sensibilisation pour que les gens euh, reconnaissent que ce n'est pas une vision de l'esprit. Mhm. Pour terminer, euh, c'est surtout les risques d'assortiment mhm. de virus mhm. issus de la recombinaison entre le virus de la grippe humaine et le virus de la grippe aviaire. Et si cela se produit et que ce virus acquiert deux éléments, à savoir un, une virulence importante et deux, un mode de transmission aérienne et transhumaine, en ce moment, on peut craindre effectivement la pandémie de la grippe espagnole qui s'est passée de par le passé et qui a fait malheureusement 25 millions de décès. Euh, moi, j'ai une peur mm. Donc, vous voyez, euh, on a appris, si on parle de la volaille, il faut partir vers les vétérinaires, vers les spécialistes. Ce que le professeur Lamine avait dit, le biosécurité. On a dans notre groupe euh, d'aviculteurs, il y a un Burkinabé qui est un docteur vétérinaire, qui a une ferme avec le biosécurité, strict, avec tout ce qu'ils ont dit, et il a été victime de la grippe aviaire. Donc vraiment, c'est ça, ça fait, ça fait une peur. Ça fait une peur, malgré tout. Nous, on peut dire, voilà, on est exposé, on est truc là, mais avec tout, et à la grippe aviaire. Donc c'est ça, c'est, on revient aux études, c'est quoi Donc il y a des difficultés Docteur, les docteurs sont là, il a des difficultés. Il dit qu'il y a tout. Et la biosécurité, c'est un ensemble de mesures et toutes les mesures, quelles qu'elles soient, elles peuvent faillir quelque part. Mm-hmm. Et c'est ça qu'il faut retenir. Mm-hmm. Peut-être euh, il a un système de biosécurité est très renforcé, mais cela ne veut pas dire que ce n'est pas faillible. Que, ce n'est pas faillible. Mm-hmm. Donc, euh, il y a toujours une insuffisance qu'il faut chercher et améliorer. Et c'est pour cela que, quelle que soit la procédure, on veut que vous inscrivez dans le le cas du HACP, Hazard Analysis mm-hmm. and Critical Control Point. Mm-hmm. Donc, uh, c'est l'analyse des risques et des points critiques. C'est un, système qui n'est jamais parfait, mais qu'il faut chercher toujours. Il faut s'inscrire mm-hmm. dans une logique d'amélioration. Il faut chercher toujours à remettre en cause ce que tu as fait aujourd'hui et essayer de revoir est-ce qu'il n'y a pas une insuffisance par, par laquelle, n'est-ce pas, les germes peuvent passer et puis mettre en, de route, tout ce que tu as mis en place. Dans le cadre des contrôles, mhm. parce que c'est ça la règle, on dit d'abattre systématiquement. Mhm. Mais lors de l'abattage, il y a des mesures spécifiques et spéciales qu'il faut prendre. Mhm. Et les études ont montré que la plume de l'oiseau infecté peut contenir et préserver le virus pendant trois mois après. Autrement, la plume peut être prise et puis ventilée par, le, vent par le, vent et aller trois mois après. Parce que le virus se trouve séquestré dans la tige, n'est-ce pas, de la, plume, qui est constituée de la kératine, qui est un isoloir. Est-ce que tu vois, ça protège le virus contre les rayons ultraviolets et mm. tout ça. Et enfin, ça contient de la lymphe, donc un milieu qui permet d'entretenir le virus. Au marzoma, généralement, quand on fait le stamping out, autrement mm-hmm. l'abattage, cet aspect, n'est-ce pas, de la survivance dans le virus, de la plume, mm-hmm. n'est pas pris en compte. Or, ça peut être une source de maintenance du virus dans l'environnement et contribuer à la propagation. Nous sommes au terme du forum sur l'épidémie de la grippe aviaire au Niger, comment y faire face. Vous avez donc suivi l'intervention de nos invités sur la grippe aviaire. Les invités qui mettent l'accent sur le renforcement de la surveillance et surtout la sensibilisation de la population afin de prévenir la maladie qui peut aussi affecter la santé humaine. Nous étions en compagnie de professeur Ibrahim Mammanalaminu, Laminou, chercheur au Centre de recherche médicale et sanitaire CERMES euh, et docteur Moro Munkela, docteur vétérinaire et épidémiologie et maître Dandobi Yakuba, responsable de la ferme avicole à Dandobi. Alors, euh, merci à nos invités d'avoir euh, répondu à notre invitation. La présentation était assurée par Fatih Zakari, euh, la technique Amina Hassan.